L'actualité cette semaine, c'est ce ping-pong entre le ministre des Finances et le syndicat national des agents des douanes. Le Sénat a animé un point de presse pour dénoncer la nomination des militaires à la tête de la douane et souligner que cela n'est pas conforme au statut autonome de la douane. C'est faux, rétorque le ministre Hassumi Massaoudou dans une conférence de presse animée lundi. Selon lui, le gouvernement peut nommer tout celui qu'il juge capable d'assumer ses fonctions. Les statuts sont clairs, ils ont vocation, ça veut dire qu'ils peuvent être directeurs généraux, comme ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement eux. Le gouvernement a eu l'habitude de nommer des douaniers ou des non-douaniers. Et tous les gouvernements précédents ont nommé des douaniers comme des non-douaniers, en fonction des circonstances. Mardi, les douaniers sont revenus à la charge pour réaffirmer que leur statut a été vraiment violé. Le colonel moumouni bana, secrétaire général du SNAT. Nous, au niveau de la douane, nous avons un statut autonome. Et s'il y a des nominations à faire, ces nominations doivent se conformer strictement aux dispositions de la loi. La loi est claire. C'est un poste réservé exclusivement pour les inspecteurs principaux des douanes. L'école va de mal en pis. Depuis la rentrée, les classes n'ont réellement pas ouvertes du fait des grèves incessantes des enseignants et des élèves. Mardi, la coalition des syndicats Cause et Sinaseb a même organisé une marche pacifique à Niamey et un peu partout dans le pays. Le but, exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Mousse Armadan, contractuel en poste à Filengue, a participé à la marche. Je suis dans le cinquième mois qu'on m'a pas payé. Les crédits là ne me parlent pas. On ne peut pas partir même au village à cause de ces crédits-là. Ils ne savent pas dans quelle situation nous sommes. Il faut que nous le montrons à travers la marche. -là. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Sale temps pour les migrants orpailleurs des nationalités ouest-africaines en Algérie. L'Algérie en a expulsé mercredi quelques 1500 en direction du Niger. Expulsion dans des conditions extrêmement difficiles. Yao Ali, originaire de Maradi, fait partie des 1106 premiers orpailleurs expulsés. On était en brousse pendant quatre jours. C'est au matin du cinquième jour que des militaires sont arrivés pour nous arrêter. Nous nous sommes sauvés pour se mettre au sommet d'une montagne quand ces militaires se sont mis à nous tirer. L'intensité des tirs nous ont obligés à redescendre pour nous rendre. Une fois arrêtés, ils nous ont fouillés et dépouillés de tous nos biens comme de l'argent, de l'or des orpailleurs nigériens au Niger sont aussi menacés d'expulsion dans certains sites. C'est le cas du site aurifère de bourg situé dans la commune rurale de Dargol. Le délai accordé expire le 15 janvier prochain. Selon un des orpailleurs qui dénonce la décision, près de 20 000 personnes sont concernées par la mesure. Les motifs avancés permettent à une société turque qui a reçu son permis de prospection d'or de faire ses prospections.